le forum du studio le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du Si vous nous écoutez en ce moment, c'est grâce au réseau des 31 radios partenaires du studio Kalangou basé dans tous les chefs-lieux des régions du Niger et dans une vingtaine de départements. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce numéro du Forum du Studio Kalango que j'ai le plaisir de vous présenter. Le Forum du Studio Kalango, c'est chaque soir du lundi au vendredi et c'est une émission qui vous éclaire sur tous les sujets et qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Nous sommes toujours dans la région de Tilaberi pour ce nouveau forum. Le forum d'aujourd'hui porte sur la problématique de la sécurité dans la région de Tilaberi. Quelles sont les zones les plus touchées par l'insécurité dans la région Y a-t-il des particularités pour chaque zone L'insécurité dans la région de Tilaberi est seulement l'effet des radicalismes aux racines djihadistes. Quelles sont les différentes mesures prises par les autorités pour endiguer les phénomènes d'insécurité Quels sont les résultats que ces mesures ont permis d'atteindre Et comment améliorer l'efficacité des mesures de sécurité actuelles Ce sont là, entre autres questions, auxquelles nous espérons trouver des réponses avec euh, nos invités. Le gouverneur de la région de Tilaberi, Ibrahim Tijani Katiala, le chef de canton de Sakwara, Amirou Sadou aussi est le président de la Chambre de concertation des ONG et associations pour le développement dans la région de Tilaberi. Présentation de cette émission Alassane Kouzi Mahamadou. Bonsoir à tous. La sécurité dans la région de Tilaberi, c'est le thème qui nous occupe ce soir. La région de Tilaberi est confrontée depuis près de cinq ans à une insécurité de plus en plus inquiétante. C'est une région qui fait frontière avec le Mali et comme on le sait, le nord Mali abrite des groupes terroristes tels qu'Akmi, Ansardine, Moujao, des mouvements rebelles et même des narcotrafiquants qui écument le long de la frontière Niger-Mali. Plusieurs attaques ont été perpétrées dans beaucoup de localités de la région de Tilaberi contre le plus souvent les forces de défense et de sécurité des attaques qui se soldent par des pertes en vie humaine, et des matériels emportés. En octobre dernier, l'Organisation des Nations Unies a indiqué avoir répertorié au moins 46 attaques de groupes armés au Niger dans la région de Tilaberi. Pour faire face à cette situation, un certain nombre de mesures sont prises par les autorités nigériennes. Ainsi, le 3 mars dernier, un état d'urgence a été décrété dans sept départements de la région de Tilaberi et Tawa, dont cinq se trouvent à Tilaberi. Euh, je m'en veux tout de suite commencer avec vous, Abdoulaye Amoukou. Vous êtes responsable de la chambre de concertation des ONG et associations euh, de développement dans la région de Tilaberi. Quelles sont les zones les plus touchées par l'insécurité dans la région de Tilaberi Merci beaucoup. Merci de nous avoir donné cette opportunité d'échanger sur euh, cette question qui est vraiment brûlante. Quand on sait que pratiquement euh, toute la région de, Tilaberi, il y a des poches quand même d'insécurité. Cette région compte 45 communes et 13 départements. Mais très malheureusement, pratiquement toute la bande nord, en tout cas, est touchée par euh, euh, la question de sécurité. Est-ce que le fait que cette partie nord dont vous avez parlé est une frontière avec le Mali fait partie des raisons de cette insécurité Absolument. Quand on doit se rappeler de l'avènement déjà euh, de l'affaire de la Libye, qui a vraiment affecté le Mali, et puis encore euh, le Niger. Quand on sait que aussi, on se rappelle très bien de ce qui s'est passé euh, l'année passée ou les deux années suivantes au Mali, des attaques euh, par-ci et par-là ont été toujours répétées par, par les rebelles. Dans ce cas, je peux sans doute vous dire que effectivement c'est parce que le Niger en grande partie fait frontière avec euh, le Mali. nous allons donner la parole au chef, à l'honorable chef de canton de Sakwara. Euh, honorable, bonsoir. Bonsoir. L'insécurité dans la région de Tilaberi, comment est-ce qu'elle est vécue par les populations euh, Merci d'abord à Radio Kalangou qui nous donne l'opportunité de parler d'une question qui nous préoccupe beaucoup et qui nous empêche même de dormir le soir. L'insécurité dans la région de Tilaberi, vous le savez, c'est d'abord le Mali, parce qu'il y a longtemps que ça a commencé là-bas. Vous vous souvenez, il y a à peine, je ne sais pas, deux mois, il y a eu une attaque meurtrière où on a perdu 13 gendarmes et beaucoup de blessés. Et dans la région de, de Wallam, vous savez, des Américains sont partis, sont partis tomber sur des embuscades. Il y a même euh, trois Américains qui sont morts. Ils sont au nombre de quatre et quatre soldats nigériens. Donc vous voyez, là, quand on parle d'insécurité, c'est le nœud même de l'insécurité, la région de Telabéry et comment les populations vivent cette situation ah, les populations, je vous dis qu'on ne dort même pas le soir, puisque il ne s'agit même pas d'aller eh, plus loin, mais à côté de nous, vous savez, c'est de plusieurs genres. Hein. Non seulement il y a les jihadistes qui, on ne sait même pas pourquoi ils viennent tuer, mais aussi il y a des, les jeunes peuls qui s'infiltrent dans, dans le territoire et qui viennent prendre avec armes les biens des pauvres populations. Donc vraiment, ils sont inquiets. La dernière fois, euh, les gens d'Anzourou ont pu mettre la main sur quatre de ces bandits-là qui sont actuellement écroués euh, à la prison. Et ces gens, ces gens viennent du Mali ou sont du terroir, sont, sont de, la région, sont même natifs de la région de Non, les Peuls, ils sont natifs même de la région. Parce que quand on les a arrêtés, les parents sont venus leur rendre visite. Là, on a compris que c'est même les Peuls de chez nous qui viennent nous attaquer. Bon, eux, ils viennent euh, prendre les biens d'autrui, mais les autres, les jihadistes et autres-là, on ne comprend même pas pourquoi ils viennent tuer. Alors, vous avez dit les peuls. Est-ce que dans cette zone, il n'y a que euh, des peuls qui se livrent à ces genres de, brigandage Parce que c'est eux qu'on a, on a pris la main dans la poche. Alors, est-ce que vous pensez que l'insécurité, en dehors de, des faits djihadistes, est-ce que vous pensez que l'insécurité dans cette zone a aussi d'autres d'autres causes, d'autres fondements. Bon, vous savez, ça fait des années, comme l'a dit Amoukou, c'est les mêmes, mais euh, deux formes, ceux, ceux, qui viennent piller les gens et ceux qui viennent tuer les gens. Donc on ne comprend même pas la nature de leur exécution. Euh, Abdoulaye Amoukou, euh, euh, responsable de la Chambre de concertation des ONG et associations de développement, l'insécurité dans la région de Tillabéri. honorable vient de dire que, en fait, la région est confrontée à, deux, types notamment ces djihadistes qui, il l'a dit, on ne sait même pas quelle est leur véritable motivation, qui explique la barbarie qui est souvent constatée. Et de l'autre côté, il y a aussi un certain nombre de gens qui se livrent à des, à des actes de, de brigandage Bien, je pense que pratiquement l'honorable a déjà tout dit. Ce que euh, on ne sait même pas euh, à quelle cause maintenant se vouer. Quand on sait qu'aujourd'hui euh, certains profitent aussi de la situation. Moi, je ne veux pas seulement parler des peuls. Vraiment, maintenant, c'est vraiment un tout. Parce que souvent, quand les petits groupes sont formés, les bandits, les petits groupes de bandits sont formés, c'est pas seulement les peuls qu'on peut en trouver. Il y en a encore d'autres ethnies qui sont aussi euh, mêlés très malheureusement euh, euh, à cette sauvagerie, parce que c'est ce qu'il faut dire. Effectivement, la population elle est inquiète parce que la sécurité, la sécurité résiduelle maintenant à Tel On a même peur aujourd'hui de mener quelques activités de développement dans la zone de Telabéry. Parce que quand on sait que, on nous fait comprendre que Telabéry est sur le tampon rouge, c'est-à-dire qu'une structure, association ONG qui a des activités à mener dans la bande d'Ayuru, mon cher, il faut que euh, soit, la structure soit escortée. Dans ce cas, cette situation, très malheureusement, aujourd'hui, entraîne au développement de la région de Tilaberi. Quand on dit région, on ne parle pas seulement de la bande de Walam, il y a aussi Bankilare qui est exposé, hein, Ban tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, euh, franchement, les gens sont aux aguets. Mais la cause fondamentale, comme vous voulez le savoir, moi je pense que c'est pas seulement une seule cause, mais c'est beaucoup de causes aujourd'hui qui font que peut-être, je dis à la rigueur, les gens sont en train de se vaquer à cette, euh, à cette opération. Est-ce que vous pouvez citer quelques-unes Bon, comme vous le savez, euh, Aujourd'hui, quand je prends euh, du côté de la jeunesse, la jeunesse, elle, est, désœuvrée. Ça, il ne faut pas se le, se, le cacher. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse les jeunes à faire, à commettre certaines, euh, certaines erreurs C'est parce que simplement, quand ils n'ont pas de quoi faire. Moi, je pense que c'est vraiment une raison fondamentale pour laquelle euh, les jeunes euh, se sont vaqués à cette activité. Est-ce qu'en dehors de cela, euh, est-ce que l'idéologie islamiste est en train de se répandre aussi Bon, je ne pense pas parce qu'en tout cas, nous, on ne le vit pas ici. Je ne sais pas ailleurs dans la région de Tilabéri, mais euh, pratiquement ce que nous maîtrisons, au niveau local, c'est-à-dire au niveau de la commune, du département, en tout cas, on n'a pas eu quand même ces cas-là. On a vu que pour faire face à toute cette situation, l'État du Niger a pris, un, certain nombre de mesures concernant la région de Tilaberi, pas seulement. L'état d'urgence qui a été décrété depuis le 3 mars dernier et qui, depuis lors, à chaque trois mois est renouvelé. Et il y a aussi dans certaines localités l'interdiction totale d'utile de circulation des motos de jour comme de nuit. Euh, et souvent, on a même vu que certains marchés dans, le département de Wallam certains marchés euh, ont été euh, fermés. Des mesures, en tout cas, pour prévenir ces, ces, actes de terrorisme, ces actes barbares. Comment est-ce que euh, vous, vous analysez ces mesures, la façon dont les populations arrivent à s'y faire Bien, euh, je pense que cette euh, question, elle est, importante, de la mesure que... Aujourd'hui, hein, sans se le cacher, l'État a beaucoup investi, l'État s'est beaucoup donné. Quand on remarque à Telabéry, pratiquement, c'est une zone qui est couverte par la gendarmerie je veux dire les FDS, pratiquement du jour et de nuit. Et nuit, ils sont en tout cas, cette force en, en train de, tourner dans la ville de Tilaberi aux alentours. Mais c'est pas seulement la ville qu'il faut protéger. Au contraire, euh, c'est toute, toute la région qui doit aussi être euh, sous cette euh, couverture. Maintenant, en ce qui concerne, comme vous l'avez dit, la mesure d'urgence qui a été prise, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce qu'il faut que la population soit plus ou moins en sécurité. Les marchés hebdomadaires, c'est un marché hebdomadaire, effectivement, comme vous avez parlé de la fermeture, c'est un marché hebdomadaire. C'est tout à fait logique parce que le plus souvent, c'est des cibles. Une fois qu'il y a un marché hebdomadaire quand même qui est, qui est capital pour la commune, c'est déjà de, de cible que les, les rebelles ou les bandits euh, attendent quoi. Maintenant, pour la circulation des personnes dans les différentes, dans certaines communes, je trouve que c'est tout à fait aussi logique. Parce que comme vous le savez, Telabéry est une zone euh, complètement granitique, ce qui fait que pour circuler avec un véhicule, c'est très difficile. Les bandits aujourd'hui profitent euh, effectivement de ces, de ces motos-là. C'est sur ces motos qu'ils viennent pour commettre leur forfait. C'est tout à fait normal parce que aujourd'hui c'est des motos souvent sans papier, sans immatriculation. Et c'est devenu pour eux, bon, vous voyez, leur moyen de déplacement afin de pouvoir euh, commettre leur euh, leur imbécilité. Euh, honorable, euh, honorable chef de canton, Amiro Sad Moussi, les mesures d'état d'urgence, les mesures que l'État du Niger a prises dans la région pour pouvoir faire face à cette insécurité, comment est-ce que les populations arrivent à, s'adapter à cette, à cette nouvelle donne Bon, les mesures qui ont été prises par le gouvernement nigérien, les gens nous sont obligés d'accepter. Parce que certaines mesures, vraiment, ça handicape un peu la population. Dans la région de, euh, de Walam, à partir de 18h, il n'y a pas de moto qui sort pour aller, même pour amener un malade. Donc les gens, vraiment, ils ont des problèmes là-bas. Mais c'est tout à fait normal. Quand c'est la nuit eh, que les gens opèrent, bah, quand on dit 18h, euh, 18h, même à Yoru c'est ça, 18h, vraiment, les gens doivent arrêter en attendant quelques mois pour voir si euh, réellement. Mais je crois que les mesures que l'État a prises, il y a aussi la patrouille mixte. Dans chaque département, ils ont des patrouilles mixtes, la garde, la gendarmerie, la police, qui travaillent, ensemble. ensemble. On appelle ça patrouille mixte. Donc, ça ne suffisait pas pour couvrir même le département, après pris forte raison la, la région. Quand vous voyez l'opération d'Ongola, ça fait une centaine de kilomètres. On ne peut même pas mettre un machin tous les, les 50 euh, kilomètres. Euh, honorable, quels sont les résultats auxquels on a déjà parvenu en, mettant en œuvre ces mesures d'état des gens Oui, l'État a pris et est en train de prendre. Vraiment, les gens ont constaté qu'il y a une accalmie. Ce qu'on peut faire jusqu'à un mois sans entendre des coups de feu, donc déjà, il y a une accalmie. Et c'est grâce à cette patrouille-là et ces mesures d'atténuation, l'interdiction de circuler la nuit avec les motos, et même les véhicules, à partir de 18h, ne rentrent pas à Yorou et ne viennent pas à la Aviv. Donc vraiment, ça, ça, a commencé à donner ses fruits. Bien. Euh, monsieur Abdullah Amoukou, euh, est-ce que vous ne pensez pas que les terroristes sont en train de réussir à, étouffer euh, les populations euh, en, en, contraignant l'État souvent à prendre un certain nombre de mesures euh, qui, qui, ne sont pas de gaieté des cœurs Bon, moi je pense que nous devons d'abord remercier notre État à travers en tout cas les forces euh, les forces de, de l'ordre et de sécurité, en tout cas, comme l'a dit l'honorable, que ne ménage aucun effort, en tout cas, pour euh, nous sécuriser. Et très franchement, euh, tout compte fait, sans, sans, sécurité, il n'y aura pas de développement. Ça, vous le savez très bien. Et l'État est le premier responsable, en tout cas le garant aujourd'hui pour la sécurité de, euh, de notre euh, peuple, de notre communauté. Mais également, il faut aussi dire que l'apport que les populations sont aussi en train d'apporter. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des comités de veille qui ont été aussi créés euh, dans, pratiquement dans toute les communes, dans, toutes, euh, dans tous les grands villages. Par qui par, la population. Parce que la population a compris que l'État est effectivement en train de faire un effort, mais que ce pas suffisant. Ce qu'il doivent aussi prendre en charge leur destinée. Ce qui fait qu'il y a des jeunes, euh, il, y a, en fait, il y a quand même des, acteurs pratiquement dans tous les villages qui sont réunis en communauté pour mettre en place un, comité de veille qui est chargé de veiller un peu euh, sur euh, le village ou sous la, euh, dans la commune. leur travail consiste effectivement à déceler quand ils voient que quand même il y a des, personnes étrangères, suspectes qui viennent dans le village ou dans les marchés environnants, automatiquement ils donnent l'alerte et que euh, il, s'adresse directement au maire, euh, qui est le premier quand même euh, responsable de la commune ou au chef du village, et automatiquement les forces de sécurité, sécurité en tout cas sont aussi alertées. D'où est partie cette idée de, mettre en place des comités de veille Bien, il va de soi. Quand on sait que aujourd'hui, je dis, l'État est en train de faire son, son effort. Un grand effort en tout cas a été fait depuis un certain temps dans la région de Tilaberi. Mais l'idée, c'est que euh, je pense que ces comités ont toujours existé. Mais euh, cette fois-ci, ils ont redynamisé. Parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, pas seulement l'État, une personne, un citoyen aussi doit se dire qu'il doit aussi apporter sa contribution. Dans ce cas, lui-même, il doit chercher à se protéger. Moi, je pense que c'est quelque chose quand même de très capital et qui donne aujourd'hui quand même son fruit honorable euh, Sadou aussi, euh, la collaboration entre les populations, les forces de l'ordre et les autorités dans, ce genre de situation d'insécurité, euh, elle est d'une importance capitale, vous Ça a toujours existé. Elle est très, très, très importante. Parce que sans la participation des populations, les forces de l'ordre ne peuvent rien faire les populations donnent l'information. Dès qu'ils voient quelqu'un de suspect, on prend le téléphone, on prévient le chef de canton ou le chef de la brigade de gendarmerie ou la police. Et aussitôt, ils viennent et ils constatent et ils prennent le type. Souvent, on le trouve avec des armes. Hein. Moi, dans, mes villages, ils ont l'habitude d'arrêter des gens malicieusement. On les faire manger, euh, euh, déjà la communication est partie, et ils viennent, on le prend. Quand on fouille un peu, il y a des armes dans le marché. Mais la population contribue beaucoup, beaucoup d'ailleurs, hein, de tout le temps. Euh, nous organisons euh, des réunions dans les villages pour sensibiliser la population et c'est à cette occasion qu'ils ils ont pu mettre en place des comités de vigilance. Mmh. Dont parlait Abdullah Moukou. Oui. Et qui sont même rémunérés par la population. Rémunérés en quelque sorte, on leur achète leur, thé, les jeunes, c'est des jeunes, avec leur gourmets, ils n'ont pas de fusil. Euh, ils achètent leur thé, ils boivent, ils font le tour du village, des différents villages. Hein. Dans tous les villages, il y a des comités. C'est ainsi qu'ils arrivent à, vraiment. Parce qu'il y a une sorte de couvre-feu à partir de minuit, en tout cas, on ne veut plus voir quelqu'un se promener dans le village. Dès qu'ils voient le type, on sait que ce n'est pas pour rien. Même si tu vas causer pour quelqu'un à une heure reculée, tu dois quand même rentrer chez toi. Donc c'est comme ça qu'on les a organisés et ils arrivent à faire le travail, les gens arrivent à, dormir. Honorable, euh, il revient dans beaucoup de discussions que certains actes perpétrés par les djihadistes, les terroristes ou par certains bandits armés dénotent d'une certaine complicité souvent euh, euh, des locaux. Ah, ah oui, même l'attaque euh, euh, dans laquelle les gendarmes sont morts. ils ont l'attaque d'Ayoru Oui, ils ont trouvé un, gars de la région, de la zone d'Ayoru. On l'a intercepté. Il est fatigué, ou bien euh, il était à côté d'une mare là. Les véhicules l'ont encerclé, on l'a attrapé. Il est de la région, on le connaît très bien, père et mère. Donc il y a des complicités. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de tops, comme on, pourrait dire, au sein de la population. Comment vous expliquez cela C'est par, le désir de gain facile que ces gens arrivent à, devenir les complices des, djihadistes euh, qui, font du mal à leur pays ou par... Euh, comment vous expliquez cela Vous avez, Amoukou l'a dit, la jeunesse, là, quand n'a pas de quoi faire, elle peut tout faire. Ce n'est pas dans la région de Aviv seulement. Même euh, dans la région de Difa, on a rencontré des jeunes originaires, des gens qui, ont, qui sont venus tuer leur propre père. Donc c'est par manque de boulot. Quand le jeune ne travaille pas, ah, il ne peut pas rester. Maintenant, on parle de, faut pas que les gens, les jeunes quittent le village pour aller à l'extérieur. Mais tout ça là, il faut leur donner du boulot. C'est le manque de boulot qui fait que les jeunes là se révoltent et ils prennent leur drogue, ils sont capables de commettre tout forfait possible. Euh, Abdoulaye le manque de boulot, vous l'avez déjà soulevé que la jeunesse souvent euh, elle, se, verse dans ce genre d'actes par, euh, par désœuvrement parce qu'elle est désœuvrée. Est-ce que c'est la, seule raison Beaucoup de jeunes aussi sont sans boulot, sans travail, mais ne se versent pas dans, ce genre d'actes. Est-ce que vous ne pensez pas que les jeunes sont, ne sont pas rapprochés de, leurs parents, de leurs aînés, qui doivent leur inculquer un certain nombre de valeurs Bon, je pense que vous êtes journaliste, vous n'êtes pas seulement votre premier... interview, vous connaissez très bien la réalité autant que moi au Niger. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, euh, la jeunesse, elle est désœuvrée. Ça, on n'a rien à se le cacher. Et effectivement, quand un jeune est désœuvré, il est capable de tout. C'est vrai que euh, j'ai dit que si le jeune est désœuvré, ce qui est très certain, c'est que effectivement, il va se vouer à d'autres choses. Hein? Parce que là, s'il n'a rien à faire, dès qu'il trouve la drogue ou d'autres euh, stupéfiants, il va, il va les prendre. Et vous savez ce qui va advenir après. Dès qu'il est cané, ça veut dire qu'il est capable de tuer, même son propre père. Moi, je pense que à ce niveau, euh, très franchement, l'État doit quand même prendre des mesures euh, pour que effectivement puisse trouver du travail quand même euh, à, cette jeunesse qui pratiquement délaissée à elle-même. Alors, nous arrivons presque à la fin de cette émission. La dernière partie, c'est les dispositions à prendre pour garantir une sécurité euh, dans la région. Comment améliorer l'efficacité des mesures déjà euh, prises par l'État à votre Je pense qu'il veut d'abord <laughs> donner la parole à. Honorable, honorable, comment vous pensez que euh, les mesures déjà prises par le gouvernement puissent être améliorées, renforcées pour une sécurité durable dans, la région de Tilaveri Moi, vous savez, l'insécurité, je crois que. En plus de donner du boulot aux jeunes. Je l'ai dit, euh, l'exemple palpant que notre préfet a fait aujourd'hui même, multiplier les patrouilles, et ça demande des moyens. Ça vraiment, l'État n'a qu'à consentir des moyens pour que nous puissions un jour finir avec ce banditisme ou ce crime organisé. Il faut des moyens. Je sais que même dans les pays les plus avancés, il y a, ces histoires de terroristes et autres, hein. mais l'État n'a qu'à donner des moyens. Quand, les moyens suivent, vraiment, tout sera dans l'ordre. C'est tout ce que nous, nous savons. Donner plus de véhicules, euh, de quoi satisfaire les forces de l'ordre, quelqu'un qui laisse sa famille pendant des, semaines et qui va là-bas à ses risques et périls, vraiment, il faut, il faut lui donner les moyens. Euh, donc, euh, s'il y a des moyens, vraiment, je crois que l'État peut arriver un jour, je ne dis pas aujourd'hui ou demain, arriver au bout de ce banditisme ou de ce terrorisme. Abdoulaye Amoukou, euh, donner plus de moyens aux forces de l'ordre, entre autres mesures à renforcer pour la sécurité. Oui, bien sûr. On va d'abord prier à la Tout-Puissant, effectivement, parce que la sécurité, c'est appartient à Allah. Mais ce, ce qui est très certain, euh, les forces de défense et de sécurité doivent être dotées quand même de moyens conséquents. Quand on voit, on remarque leurs armes qu'ils ont, je pense que c'est même des armes qui sont plus ou moins démodées. Et les rebelles, ce qu'ils ont comme euh, infrastructure, comme équipement, n'est pas comparé quand même à ce que possèdent nos vaillants militaire. Mais on voit que souvent, après les attaques, ils emportent le matériel. Cela veut dire qu'ils en ont quand même besoin, le matériel. ils, en ont besoin, mais ils ont des matériels plus sophistiqués que, que les nôtres, ça c'est certain. Et aussi, je pense que la, même, la, vérité même de, des véhicules de l'État. Moi, je pense que euh, quand tu mets quelqu'un dans un travail, il faudrait que tu crées toutes les conditions, en tout cas... Euh, euh, pour que effectivement ils puissent mener à bien euh, le travail confié. Et pour ça euh, aussi euh, la population, j'exhorte à ce que la population aussi effectivement continue quand même à s'organiser, continue à collaborer effectivement avec les forces de défense et de sécurité. Ça c'est extrêmement important pour cette population. Et je pense que, euh, Inch'Allah, si Dieu le veut bien, en tout cas, on pense qu'on peut pas, quand même pouvoir pallier, ne serait-ce que <laughs> le minimum. Quoi. Euh, un mot de conclusion honorable Vous avez tout dit Oui, j'ai tout dit, mais je sais que euh, concernant l'État, <coughs> il y a deux ou trois semaines, la Chine a donné 50 véhicules rien que pour la région de, de, Wallam. Donc vraiment. Le département de Wallam ou toute la région de Le département Wallam. Alors, nous allons écouter à présent le gouverneur de la région de Tilaberi, euh, Ibrahim Tidjani Kachalla. Monsieur le gouverneur de la région de Tilaberi, pouvez-vous nous donner une idée des zones les plus touchées par l'insécurité dans la région dont vous avez la charge La situation sécuritaire de la région de Tilaberi est assez préoccupante et ne date pas d'aujourd'hui. Cependant, euh, la situation s'est beaucoup plus aggravée avec euh, l'installation des foyers de tension maliens. Elle se manifeste par euh, les attaques des forces de défense et de sécurité avec euh, enlèvement des moyens roulants, des attaques euh, à, domicile et des attaques à main armée. Les acteurs de cette insécurité sont de toutes les nationalités et qui opèrent en tout cas dans les différents groupes terroristes. Au moment de l'occupation du Nord Mali, et aujourd'hui, euh, tous ces groupes terroristes appartiennent à un chef de file qui est euh, Abou Walid. En ce qui concerne l'insécurité proprement dite au niveau de la région de Tilaberi, il faut retenir que le nord de la région de tilabéry est constitué des départements de Bankilare, Ayeru, Walam, Bani Bango, Abala et Filingue. Le nord de la région est assez sensible vu sa proximité avec le foyer de tension malien. En général, l'insécurité sévit sur toute la bande ouest en est de la région de Telabéry avec euh, les mêmes acteurs et les mêmes modes opératoires parce qu'ils sont très mobiles et ils connaissent très bien l'environnement aussi. La partie sud de la région de Tilabéry est constituée par le département de Toro et Essaï. Là, l'insécurité est caractérisée par le banditisme de grand chemin. C'est des coupeurs de route. Ils commettent leurs forfaits et se replient sur la bande ouest dans un pays voisin. Maintenant, la partie ouest, qui est constituée du département de Bankilari et la commune rurale de Gorol, là aussi, euh, la situation sécuritaire se caractérise en tout cas par l'enlèvement des bétails, le braquage aussi à main armée, des marchands qui quittent le marché hebdomadaire pour un autre marché. Et là, ils sont dépouillés de leurs biens, avec même parfois des morts par rapport à ces mesures qui ont été déployées par l'État pour notamment sécuriser ces zones que vous avez citées. On a vu l'état d'urgence qui a été décrété depuis le 3 mars dernier dans cinq euh, départements de la région de Tilaberi et qui depuis lors a été prorogé de, trois mois. Et euh, dans certaines localités, comme vous l'avez dit, il y a l'interdiction euh, de circulation de motos, euh, tantôt de jour et de nuit, et dans certains endroits de jour. Est-ce que vous pouvez nous donner d'amples détails par rapport à ces, à ces mesures La mise en œuvre de l'état d'urgence a eu un impact considérable sur la, vie socio-économique euh, de la région. Il faut considérer que cette mise en œuvre a permis de réduire les attaques sur les positions de nos forces de défense et de sécurité. Elles ont permis de contrôler les mouvements des groupes terroristes euh, en permettant en tout cas à notre armée de les mettre à hors d'état de nuire. Euh, la fermeture de certains marchés situés euh, le long de la frontière avec le Mali a permis de couper l'approvisionnement en et en carburant euh, à ces groupes terroristes. Mais en même temps, cela aussi constitué constitue un coup dur pour les populations rurales qui souvent n'ont que ces marchés pour s'approvisionner aussi pour faire, pour faire des échanges. de toute façon, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les yeux. Ce qui a amené l'État à prendre cette euh, mesure d'urgence, c'est bien dans le but de sécuriser les personnes et leurs biens et de sécuriser la zone aussi, parce que euh, ces mesures d'interdiction de circulation des motos et des véhicules a permis quand même, comme je l'ai dit, de réduire les attaques opérées sur les forces de défense et de sécurité, a aussi contrôlé mieux le mouvement de ces groupes terroriste. Et en plus de ces mesures d'urgence, l'État a mis en place, il faut reconnaître, l'opération Dongo, qui a permis, en tout cas, euh, qui, a mené des actions de sécurisation euh, dans la bande nord de notre région et qui, qui, a apaisé, en tout cas, de manière conséquente, en tout cas, le déplacement euh, incontrôlé ces On a vu que effectivement le gouvernement du Niger est en train de, de déplacer un certain nombre d'efforts pour faire face à cette insécurité qui souvent euh, euh déborde. Octobre dernier, euh, la ville d'Ayarou a été attaquée et c'est s'est soldé malheureusement par la perte de, de 13 de nos gendarmes. Malgré cet état d'urgence et l'interdiction notamment de circulation de tout ce qui est euh, moto dans cette région. Vous savez, les groupes terroristes, sont imprévisibles. C'est des groupes organisés qui sont là pour commettre des actes criminels. Ils viennent surprendre les forces de défense et de sécurité. Ils savent qu'ils ne peuvent pas faire face, ne peuvent pas tenir face à ces forces de défense et de sécurité. Leur mode opératoire, c'est de les surprendre tantôt aux heures de prière, tantôt aux heures de déjeuner, tantôt aux heures de rupture du jeûne. En tout cas, leur stratégie, c'est la surprise. C'est pourquoi on a toujours appelé aux forces de défense et de sécurité d'être en état de veille, d'être très vigilant, tout le temps d'être en état d'alerte maximum pour que, en tout cas, ces bandits ne viennent plus surprendre nos forces de défense et de sécurité. Monsieur le gouverneur, est-ce que la collaboration entre les forces de l'ordre et les populations locales marche bien Il faut retenir que la question sécuritaire euh, est une affaire de tous. C'est pourquoi, en tout cas, nous avons toujours demandé à chacun de s'investir pleinement en vue de la promotion de la paix et de la sécurité pour, pour que celle-ci s'installe dans nos esprits, dans nos cœurs dans nos comportements pour euh, que la paix et la quiétude sociale soient une réalité dans notre région qui a tant souffert. Selon vous, quelle sera la solution à court, moyen et long terme qu'il faudra mettre en œuvre pour permettre à, à ce que la région de Tilaberi puisse connaître la paix, la sécurité, notamment dans le côté nord. Il faut reconnaître que la région de Telabéry, elle est très vaste. Vu la porosité aussi de cette frontière, il faut que les moyens suffisants et nécessaires soient donnés à nos forces de défense et de sécurité pour que la bande nord soit en tout cas bien sécurisée. Et il faut qu'elle soit plus le théâtre, en tout cas, des, des attaques, des terroristes euh, qui sont en tout cas sans foi ni loi, qui sèment la barbarie euh, dans cette bande nord de notre frontière. il faut retenir, euh, nous avons dit que nos forces de défense et de sécurité, lesquelles, malgré, comme je le dire, en tout cas, le moyen qu'ils en disposent, veillent à la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble de notre région. En tout cas, nous avons toujours apprécié leur comportement, euh, qui sont disposés de jour comme de nuit, en tout cas, à sécuriser en tout cas les personnes et leurs biens. D'aucuns pensent que euh, dans cette région, la solution ne doit pas qu'être militaire c'est des zones où euh, beaucoup d'efforts restent à faire en termes de développement. Le développement, l'État est en train de faire beaucoup de réalisations dans la bande Nord, qu'il s'agisse des forages, qu'il s'agisse des banques aliments bétail, qu'il s'agisse des banques céréalières, qu'il s'agisse des actions en tout cas de développement qui fait bénéficier en tout cas à cette population pour améliorer les conditions de vie euh, et de survie. Donc, euh, c'est pour vous dire que la haute autorité à la consultation de la paix que l'État a bien voulu créer, c'est dans ce cadre pour développer les zones de sécurité. Et l'État, la haute autorité à la constitution de la paix en a grandement fait, beaucoup fait pour en tout cas euh, subvenir aux besoins essentiels euh, de cette population menacée par l'insécurité dans la bande nord. L'aspect sensibilisation aussi euh, est, est, une, option à envisager et à renforcer. On en a tellement fait. On a organisé des sensibilisations sur toute la bande nord. On a organisé des forums au niveau de Tilaberi pour permettre aux différentes communautés de se retrouver pour discuter des problèmes qui minent l'insécurité dans cette zone afin que chacun puisse contribuer et donner son point de vue afin que les recommandations issus de ces forums puissent être euh, bien exploités et trouver des voies, des moyens, des solutions pour pouvoir trouver d'une manière générale une solution en tout cas à ce problème de circuler dans la région de Tlabéli. Est-ce que vous pensez que tous ces forums qui ont été réalisés euh, sont en train de porter leurs fruits ou il reste encore beaucoup à faire Bien sûr, parce que tous ces forums en tout cas font l'objet des recommandations et tantôt même des signatures d'accord entre les différentes communautés, ce qui a permis en tout cas aux différentes euh, communautés de se retrouver, de se pardonner, de cultiver la tolérance, euh, l'esprit en tout cas de cohésion qui est en train de prévaloir, nous, en tout cas nous prouve que les gens ont bien compris le message de ce forum et ils se conscientisent que euh, sans la paix, aucun développement n'est possible. Les appels, c'est de demander à la population de collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Ces forces de défense et de sécurité sont là pour cette population. Ils sont là pour les sécuriser, sécuriser leurs biens et par conséquent, cette question sécurité est une affaire de tout le monde. Et tous, on doit s'élever comme un seul homme pour combattre cette insécurité parce que l'insécurité enfreint au développement. Ça veut les barres de fonds se sont retirées, et là c'est la population qui paye chèrement cette euh, absence euh, de développement de réalisation de cette zone. Donc c'est pourquoi euh, j'en appelle encore la mobilisation, j'en appelle à la conscience de toute la population, de toutes les communautés pour que chacun s'investisse pour que la paix et la sécurité reviennent dans cette euh, région de Tel qui en a grandement besoin. Fin du forum de ce soir sur la problématique de la sécurité dans la région de Tilaberi. Nous étions en compagnie de l'honorable chef de canton de Sakwara, Amir Sadou Moussi. Nous étions également avec le président de la Chambre de concertation des ONG et associations de développement de la région de Tilaberi, Abdoulaye Amoukou, et le gouverneur de la région de Tilaberi, Ibrahim Tidjani Kachala. Bonsoir à tous.